premier combat de la soirée Thiatou Linger, fils de Lirou Kadou Linger, fils de Lirou attention Katulinger, Linger, fils de Lirou attention Revois le premier combat de la soirée premier combat de la soirée Thiatou Linger, fils de Lirou Comment bi Katulinger, na fils de Lirou Waouh waouh Linger Fils de Lirou Comment habite t Comment habite t Attention, Attention Attention Attention Attention Tchatou Linger Fils de

attention caxabal ba attention jël am na jël am na jël bi rëy na jël bi rëy na Fils de Lirou daan na Thiatou Linguère Fils de Lirou daan bi rëy na premier combat la soirée jël bi rëy na ndeysaan Seexu ñëw na Seexu Jeng mi ñëw jël si lépp lay wax ndeysaan waaw mi ngi siisu siisu na ndeysaan nee na du génn siisu na nee du génn waaye nag di nga génn rag ji jeex na